Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Merci de nous rester fidèles merci euh, de vous euh, informer sur al la référence. Il est 12h au studio à Liwoun, Montmarlo. C'est parti pour la grande édition française. Au sommaire de cette édition, installation anarchique des vendeurs de poissons aux alentours du marché central de Kaolac. Les travailleurs du euh, marché aux poissons décrètent une journée de grève ce mercredi et c'est pour fustiger le mutisme des autorités municipales face à leurs difficultés. Vous aurez le reportage de Cher Tidiane Diagne. Affaire du boulevard de la liberté de Kaolak, le coordonnateur du plateforme Nailer réclame justice et demande l'arrêt immédiat des travaux. Il a brandi des menaces. Pape Simara que vous entendrez au courant de cette édition. Journalisme, société civile et engagement politique, est-ce possible Une question qui nourrit beaucoup de réflexions. Les détails également à suivre dans ce journal. La deuxième édition de la conférence religieuse du réseau des femmes leaders sénégalo-gambiennes s'est tenu le week-end dernier. Une occasion bien saisie par Adja Moussoukorombaï pour euh, revenir sur les objectifs et les différentes réalisations du réseau. Si vous aurez le reportage de Noa Biaï. Et puis la page internationale et l'actualité sportive mettront fin à cette présente édition. Bonjour et bienvenue. Le journal Ngoné Rennes. À la présentation partie technique euh, de sec, Madame Kenemi, et puis euh, je vous le disais dans les titres, euh, face aux nombreuses difficultés rencontrées, les travailleurs du marché aux poissons de Kaolac réclament le départ du directeur et menacent également d'aller en grève ce mercredi. C'est un reportage signé cher Diagne. Les travailleurs du marché aux poissons de Kaolac annoncent une grève illimitée le mercredi prochain, car selon eux, ils sont en train de rencontrer beaucoup de difficultés Elagi Goresambou est le porte-parole des jeunes vendeurs du marché aux poissons de Kaolack. marché poisson mercredi kenn du fi jaay jën kenn oto yi d'accord nañoo duñ ubi, nit ñiy jaay ci taabal duñ ubbi amul benn dig digal buy ou fi ci marché nga def ko sa bopp yaakaar di nga jaay jën ñu la fay seetaan dañu koy tëj jamar yéene jàmmaarloog ñi nekk ci 30 mètres ak marché bi di fiy jaay jën ñu wax ko maire faju ko ñu wax ko gouverneur faju ko ñu wax ko préfet faju ko. le président des mareyeurs de Kaolack fustige le comportement des autorités et lance un appel à Moussé le maire Serimboupe. On a écrit partout des correspondances. Je l'ai toujours dit au niveau du gouverneur, du préfet, de l'ancien maire, Mariam Massad, jusqu'au nouvel maire Serimboupe qui était là ces jours passés, qui nous avait promis de nous recevoir le samedi. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, il n'y aura pas de poisson à Kaolak. C'est une journée sans poisson. Et ça, c'est illimité. Hein. Le mercredi, Inch'Allah, il n'y aura pas de poisson à Kaolak, à savoir au Khaïga et d'autres sites. En tout cas, le problème fondamental, c'est le problème de Khaïga. J'ai toujours lancé appel à nos gouvernants de régler le problème de Khaïga. Car un jour, il amènera un problème. Maintenant, les détaillants ont tous un ras-de-bol. Ils ont pris leur décision d'aller rompre le ventre à Khaïga et de faire une journée sans poisson ici à Kaolak. Les vendeurs de poissons réclament aussi le départ du directeur du dit marché et dénoncent le mauvais état de la route de ce lieu de commerce. À ces euh, difficultés, cher Tidjane Diagne, vont venir s'ajouter d'autres problèmes soulignés ici par Atunjaï euh, qui regrette la situation c'est lui le président des marailleurs de Kaolac. Il est au micro de Charti Diagne. C'est un marché qui a perdu ses qualités, qui a perdu ses réalités de fonctionnement, si on dit vrai. Depuis 2003 à nos jours, on a toujours crié pour la réfection du marché central au poisson de Kaolac, qui est actuellement à terre. Comme ils l'ont souligné, on n'a pas d'usine de glace, on n'a pas de bon état de route, le fonctionnement financier est mauvais. Tout cela se dit à un mal gouvernance. Maintenant, eux, en tant qu'acteurs détaillants, ils sont maintenant pris le reste c'est de dire que le mercredi, Inch'Allah, il n'y aura pas de poisson à Kaolak. C'est une journée sans poisson. Et nous, responsables, nous applaudissons ça hein, et nous les soutenirons, Inch'Allah, le mercredi. Je, dis que c'est une journée sans poisson à Kaolak. Donc cela veut tout dire. En tout cas, nous avons demandé à notre président national de lancer appel aux mariés qui sont à Kayar, à Saint-Louis, à Mouré, à de leur dire que le mercredi, le marché central poisson de Kaolak ne vendra pas dans les trottoirs kaolagois des poissons. Donc eux, ils n'ont qu'à fermer leur véhicule au moins de ne pas venir ici à Kaolak. Je lance aux populations de Kaolak que cela n'a pas dû que nous ne sommes pas modères envers eux. Mais c'est les autorités kaolackois qui n'ont pas voulu prendre les responsabilités pour résoudre ce problème-là. Donc on est désolé, mais nous le faisons avec un grand cœur de pitié pour la population kaolackoise qui ne consommeront pas de poissons à partir de mercredi jusqu'à nouvelle ordre. Nous euh, quittons le marché aux poissons de Kaolak pour le boulevard de la Liberté, euh, venu apporter son soutien au collectif Art Kaolack le coordonnateur du plateforme Nailer demande l'arrêt immédiat des travaux déjà entamés. à Pape Simara, que nous écoutons ici au micro de Noabiaï. Nous sommes réunis aujourd'hui à Kaznak en face du fameux bâtiment que les autorités, à l'occurrence le gouverneur, a signé un bail pour donner ce terrain à Moussel Lahad Babou. Mais est-ce qu'il y a un Kaulogwa exceptionnel qui a droit à l'octroi des terrains à Kaolak C'est anormal ce qui se passe aujourd'hui à Kaulak. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, nous sommes prêts. Dès la semaine prochaine, nous allons introduire une déclaration de masse parce que c'est notre droit constitutionnel pour descendre sur le terrain et dire non. Et nous interpellons aussi le président Macky Sall. Il n'a qu'à trancher. S'il ne tranche pas, il verra les conséquences. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des entités comme Samoussa comme Kaznagrek, comme la plateforme monétaire Sénégal. Il y a aussi d'autres organisations qui sont prêtes à nous rejoindre. Mais aujourd'hui, nous allons descendre à Kaznak, faire des porte à porte, sensibiliser tout le monde pour préparer la grande rassemblement, pour dire non à ce bâtiment. Lors du point de presse du collectif arcaolac. Eux-mêmes, ils ont souligné qu'ils avaient rencontré tous les chefs de service régionaux, mais sauf le gouverneur, parce que le gouverneur a refusé de les recevoir. Mais nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, nous, nous n'avons pas besoin du gouverneur ou du préfet. Nous interpellons le président Maguizal, qui est le président de tous les Sénégalais, d'arrêter ces travaux. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de négociation. C'est de démolir ce bâtiment. Et puis le président Macky Sall, s'il ne va pas arbitrer, il y aura beaucoup de sang qui va couler ici. Pape Simaha se prononçait en marge d'une rencontre organisée par le collectif Art Kaolak. Il est 12 heures passées de 7 minutes. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. À l'initiative du maire de la commune de Kaolac, les membres des différentes commissions que compose l'équipe municipale euh, se sont réunis pour présenter le bilan des deux premiers mois, mais également pour ficeler les objectifs et perspectives. Mbaïngom, que nous écoutons avec Cherti Djandjani. Aujourd'hui, nous avons tenu quand même à présenter le bilan des deux premiers mois. Et dans tous les secteurs, les 17 ah. adjoints au maire qui dirigent les 20 commissions que présente la commune d'Akaolak, ils ont présenté leur bilan et aussi leur perspective. Et moi particulièrement, en tant qu'adjoint au maire chargé de la technique, je pense que la plus bonne partie, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible. Les travaux, l'éclairage, l'assainissement, c'est le cadre de vie de C'est ce qu'on vit tous les jours, c'est quelque chose de palpable. C'est pour ça que je tenais quand même à présenter le bilan, sachant que le point focal à Kaolack, c'est le point le plus critique à Kaolack, c'est l'assainissement et la sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est l'éclairage public. Nous avons, en collaboration avec l'ONAS, mais aussi la et les autres services techniques de démembrement de l'État, les projets qu'on a. Notre objectif, c'est d'avoir euh, au moins 80 ou 90% des problèmes d'assainissement de Kaolack réglés à partir de cette année. Nous avons vu les leviers qu'il fallait faire en collaboration avec l'AGTIP. Nous avons trouvé les problèmes et nous avons réglé quasiment une totalité donc cette année, Inch'Allah, je pense qu'il y aura quand même de l'inondation. Il ne faut pas vendre un rêve, mais l'inondation sera pratiquement réglée. Du point de vue aussi de l'éclairage, M. le maire a dégagé un budget. Je pense que dans les semaines à venir, l'éclairage sera réglé dans les routes, dans les axes principaux, comme les routes, de l'école national et aussi euh, tout ce qui est voirie de le pavage en collaboration avec euh, Nous avons lancé 30 000 m2 de pavage qui vont démarrer cette semaine. Nous avons commencé à dans la partie économique, nous avons euh, lancé il y a deux jours des travaux de construction de terrains de foot euh, modernes éclairés avec gazon, qui sera aussi des hubs économiques euh, dans les quartiers. Dans les quartiers cette vision du maire s'agissant des terrains municipaux est bien appréciée par Maktar Gueye, qui, par la même occasion, répond à Abdou et sar suite à des propos tenus. Nous l'écoutons. Nous avons remarqué que depuis la déclaration de M. Serigne Boub, sa candidature euh, aux élections législatives, il y a eu beaucoup d'interpellations par rapport euh, à la gestion, aux visions même du maire euh, Serigne Boub. Nous avons remarqué qu'il y a eu des poltrons politiques, des escrocs politiques, des bêtes senteurs tels que Abdoum de Kerbaka, Diaoussar. Beaucoup de gens mettent du sel dans la cuisine de M. Serigne Boub. L'État municipal, la vision de M. Serigne Boub, c'est de faire des états de proximité pour permettre aux populations et aux fonds de de bien s'organiser, moi je pense qu'avec cette vision, dans quelques années, on pourra avoir des Sadio Mané, des Idrissa Gandegui ici à Kaolack. Les travaux de l'Estat n'est pas arrêté. Non, non. C'est-à-dire la vision du président Serigne Boub. Monsieur le maire Serigne a promis aux Kaolackois de créer des stades de proximité juste pour permettre à la jeunesse et aux fans de foot de bien s'organiser et d'essayer quand même de s'améliorer. Si on a choisi Moussé Abda on ne peut pas parler de football ici à Kaolack. sans pour autant parler de Abda avec sa promesse électorale d'organiser des stades municipaux un peu partout à Kaolack. Diawsat, s'il ne sait pas ce qui se passe, il est quoi. il peut venir demander, mais c'est pas pour aller tirer sur quelqu'un comme le maire Serigne Et puis sans transition, je vous le disais dans les titres, journalisme, société civile et engagement politique, est-ce possible? La question est analysée par Abdoulaye Diop euh, qui nous parle d'une tentative de manipulation. Il est de la mouvance présidentielle. Nous l'écoutons. Je vais commencer par dire que les masques sont tombés et ça montre que ce qu'on disait il y a de cela deux ans, trois ans, quatre ans, l'histoire nous a donné raison. Parce que ces gens-là étaient des politiciens encagoulés. À chaque fois, ils se déclaraient société civile ou bien activistes pour quand même orienter les masses dans la mauvaise voie. Parce qu'à chaque fois, si on regarde les sorties de Guy marie Sagna, pour ne pas les citer, Pape Djibril même Fadel Barok, ils se disaient que non, ils sont là pour les populations, ils sont là pour le peuple, alors que derrière, il y avait un plan d'action politique qu'ils menaient. Ils voulaient quand même établir leur base, se préparer pour aller à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale n'est pas un lieu où des soi-disant activistes vont aller se vautrer dans les salons pour manipuler les gens. Ça, il faut le dire parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution respectée et respectable. L'Assemblée nationale n'a pas besoin de ces petits gens-là qui passent tout leur temps à fuir leurs fonctions pour se nourrir dans le dos des Sénégalais. Je veux prendre l'exemple de Guy Marissiania à qui on a fait une quête pour lui acheter une voiture pour payer sa location. Je me dis que, mais dans quel Sénégal sommes-nous quoi Parce que ces gens-là doivent aller travailler. Guy est un fonctionnaire, il a déserté les hôpitaux, il pense que peut-être faire de la politique, c'est le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent. Regardez-moi ces autres gens-là, Fadel Barrow, Pape se prend comme un dieu, alors qu'il est journaliste comme tout le monde. Il n'est pas plus intelligent que les autres journalistes, il n'est pas plus malin. D'ailleurs, lui, il n'a même pas 40 ans. Pourquoi se précipiter comme ça avec Guy Marissa et les autres La politique, en tout cas, ne serait jamais un tremplin pour eux de réussir, d'amasser des millions sur le dos des Sénégalais. Et ça, je vous le dis, nous, nous sommes prêts à les affronter sur le terrain. Quand le président Macky Sall fait des réalisations, personne n'a entendu une fois Guy Marissagne ou bien Pape Dirufal mettre l'accent sur les réalisations du président. À chaque fois, ils critiquent. C'est comme si le régime n'a rien fait de bon. Maintenant, comme ils ont opté de faire de la politique, allons-y. Les Sénégalais sont très mûrs. La présidentielle et les locales l'ont démontré parce que ils ont choisi le camp de la réalisation, le camp de l'action, au détriment de ces gens-là qui passent tout leur temps à créer des histoires. C'était à l'instant Abdoulaye Diop, responsable politique, interrogé sur la question en tant qu'acteur Fadel Barro. Voilà la chose sous un autre angle et prend sa propre personne comme exemple. ces propos également sont recueillis par Cheikh gardien Je ne peux juger qu'à partir de ma propre pratique. Est-ce que hier, ce que je disais quand j'étais journaliste, est-ce que ce que je disais quand j'étais à Yanamar et aujourd'hui ma pratique politique, il y a une différence On se rend compte que je suis dans la même continuité. C'est parce que justement, j'ai regardé, observé l'échec de tous ceux qui ont voulu briguer des mandats et ils n'en ont rien fait que nous avons décidé nous-mêmes de nous y mettre, nous-mêmes de se mouiller, nous-mêmes de mettre la main à la pâte parce qu'en définitive, dans un pays, on ne peut pas laisser son avenir, on ne peut pas laisser son éducation, sa santé. On le laisse aux seules mains des politiciens qui ne sont souvent mus que par les intérêts de leur clan. À partir de ce moment, il faut décloisonner l'espace politique, il faut l'aérer, il faut l'oxygéner. Et c'est tout le sens de la démarche de certains membres de la société civile. En tout cas, c'est la démarche de Gori. L'idée, c'est de mobiliser tous ceux qui n'ont jamais fait de politique, tous ceux qui ont pensé que la politique, c'était l'affaire des autres et qui aujourd'hui souffrent de la pratique des politiciens classiques et qui se disent que maintenant, il faut mettre un arrêt et commencer à ouvrir un autre récit pour euh, l'épanouissement de toutes les populations. Parce que si vous regardez par exemple à Kaolak, qui parle du sel, qui parle de la rareté de l'eau, qui parle des problèmes des hôpitaux, qui essaie d'éclairer des quartiers entiers qui sont dans les périphéries et qui étaient totalement abandonnés. Ce sont des gens qui viennent de la société civile comme nous, qui ont compris ce qui se passe et qui veulent agir là où il y a un problème. Mais si on écoute seulement les politiciens, c'est rassembler les gens, parler beaucoup et en définitive, une fois qu'ils sont élus, on ne les retrouve plus. Maintenant, encore une fois de plus, j'insiste, quand tu viens de la société civile et que vous rentrez en politique, il faut faire en sorte d'amener de nouvelles pratiques et non pas répliquer les mêmes pratiques qu'on a dénoncées, qui étaient les faits des politiciens. Fadel Barro, le coordonnateur de la coalition Djami Agori, euh, parlons euh, tout à fait d'autre chose à l'image des autres localités du Sénégal. Les dés sont déjà jetés à tout bas euh, concernant le recensement général de la population, des rencontres et campagnes de sensibilisation allant dans le sens se tiennent Mamadou Moustapha Recensement général de la population du Sénégal, les dés sont jetés, les premières rencontres se tiennent. À Baké, le gouverneur a déroulé une réunion à laquelle ont pris part beaucoup de personnalités. recensement général de la population Nous étions en train de discuter des mesures à prendre par rapport au recensement général de la population du Sénégal, histoire de savoir le nombre de personnes qui vivent dans le pays et Baké principalement. Maintenant, nous travaillons dans le sens de permettre aux populations de savoir que nous allons procéder très prochainement au recensement et que les agents vont venir vers elles. Nous demandons à ces populations d'accueillir ces agents et de répondre à leurs questions. Cela fait deux semaines que la cartographie a démarré. Les agents vont vers les populations compter le nombre de concessions et poser des questions primaires. Nous demanderons aussi aux chefs de famille le nombre d'enfants qu'ils ont. Et dans dix mois, le dénombrement va démarrer. Jam, chef de service de la statistique et de la démographie régionale de Djoubel, dira nourrir beaucoup de craintes par rapport au comportement généralement réfractaire des populations de Touba quand il s'agit de recensement. Moumourou Moussa Touba, Alpha DFM. L'actualité sur Alpha DFM. Vous nous suivez toujours sur le www.radioalfaida.net. Le week-end dernier, le réseau des femmes leaders entrepreneurs sénégalo-gambiennes a tenu la deuxième édition de sa conférence annuelle. Une conférence qui avait pour thème la paix et la solidarité avec le voisinage, compte rendu signé Noabiae. En conférence religieuse ce week-end dernier à Kaolak, le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes. Cette deuxième édition a pour thème la paix et la solidarité avec le voisinage. Adja Moussorombaye est la présidente du, du réseau. Aujourd'hui, on s'est réunis ici à Kerugan, dans la maison des autres, pour euh, célébrer une conférence religieuse sur la paix du voisinage. Le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes s'est réuni de toutes ses forces. Vous avez vu que la maison est remplie et Alhamdulillah, on a fait une très bonne conférence. Il a aussi rappelé quelques réalisations des femmes du réseau dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Adja Mouskorombay. Les réalisations des femmes, vous savez, les femmes avec les formations, avec la 3FPT, le DER qui nous a, du mois de décembre à nos jours, on a pu financer 83 millions dans le réseau. Et avec euh, IMSEC, on a dépassé les 300 millions. Avril 2021 à avril 2022, nous sommes à plus de 300 millions de financement dans le réseau. On a signé aussi un protocole d'accord avec euh, le Tahaou ma Assistance qui veut faire de nous leur marraine pour euh, les handicapés, les accompagner dans leur plaidoyer. Rappelons qu'un tirage de billets pour le pèlerinage à la Mecque des membres du réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes a mis fin à cette cérémonie. Ah, ah, ah, nous restons toujours dans le même euh, siège, mais cette fois-ci avec les femmes du plateforme des Lingers de Kaulak. Ces dernières ont organisé également une conférence euh, religieuse euh, comme à l'accoutumée. Honorable député Adjim Bergan Kanoutier revient ici sur l'importance. Nous avons l'habitude de le faire. Les Lingers de Kaulak organisent chaque année une conférence religieuse avec un thème cette année. Le thème est relatif à femmes et politique en islam. Les Lingers de Kaulak sont des femmes engagées. Les femmes sont avec Adjim Kanouté. Les femmes sont dans des organisations féminines, mais qui sont des sympathisants d'Adi Margan Kanouté, qui organise annuellement cette conférence. le but de cette conférence est de remobiliser les femmes autour de l'essentiel. Nous allons vers des élections législatives. Euh, Il est extrêmement important que les femmes de UDSA, les femmes des organisations féminines, puissent se retrouver pour véritablement travailler en synergie pour que nous puissions voir une victoire aux élections législatives, pour assurer au président de la République une majorité majorité confortable à l'Assemblée nationale. Les activités relatives au financement des femmes dans tous les quartiers de Kaolak, il y a une plateforme décentralisée des lumières de Kaolak les femmes se retrouvent généralement, s'organisent effectivement à toute échéance électorale que nous puissions avoir la victoire. La plateforme, comme j'ai dit, regroupe aussi bien des femmes politiques que des femmes d'organisation féminine, avec des objectifs. J'ai tantôt parlé de l'objectif relatif à la remobilisation mais également, il y a un objectif qui est relatif à l'autonomisation de la femme, hein, au leadership féminin également. Les femmes sont accompagnées par des financements. Actualité internationale. À présent, la page internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, trois camps militaires ont été attaqués par des terroristes dimanche dans le centre du pays. Au Burkina Faso également, des attaques simultanées ont été perpétrées contre deux détachements militaires dans le nord. Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 80 morts dans la région pétrolière du delta du Niger, dans le sud du pays. Cette région fait face à des décennies de vandalisme et d'explosions exploitation illégale d'hydrocarbures. Actualité internationale. Le président rwandais Paul Kagame est arrivé hier à Kampala en Ouganda. C'est sa première visite en quatre ans dans ce pays. Il va y rencontrer son homologue euh, Yoweri Museveni et prendre part au 48e anniversaire du fils de M. Museveni, Mozi Kaineru Gaba, grand artisan du rapprochement entre les deux pays selon la radio de diffusion publique rwandaise. Il s'agit là d'un signe supplémentaire d'un rapprochement entre ces deux pays voisins. Il y a quelques semaines, l'Ouganda a expulsé un membre de premier plan du RNC, le Congrès national rwandais, que Kigali considère comme une organisation terroriste. Actualité internationale. En France, le président Emmanuel Macron rempile pour un second quinquennat. Il a obtenu plus de 58% des voix face à Marine Le le Pen, qui avec environ 42%, réalise cependant le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle depuis le début de la Ve République en 1958. Signalons que le soir de l'élection présidentielle française, des policiers ont tiré à Paris sur un véhicule qui a tenté de les percuter, tuant deux occupants du véhicule et en blessant un troisième. Actualité internationale. En Russie, un grand député dépôt de carburant était en flammes ce lundi dans une ville située près de la frontière ukrainienne, ont rapporté les autorités russes sans préciser les raisons de l'incendie. Selon les premières informations, il n'y a pas de victimes. Cette ville, Bryansk, sert de base logistique à l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle dispose de bons équipements, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au retour d'un déplacement à Kiev avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner et s'ils sont convaincus qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, a dit euh, Lloyd Austin à quelques journalistes à propos des Ukrainiens. Ils peuvent gagner s'ils ont de bons équipements, le bon soutien, a-t-il ajouté. Actualité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est lui attendu ce lundi en Turquie, pays qui tente de jouer les médiateurs dans le conflit avant de se rendre à Moscou puis à Kiev. Le nombre de réfugiés ayant fui l'Ukraine depuis l'invasion russe approche des 5,2 millions selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont aussi quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. Actualité internationale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a discuté dimanche de Jérusalem avec le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abu Dhabi Mohamed Bel Zayed Al Nayan. La communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte après les violences qui ont éclaté à la mi-avril sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Selon un porte-parole égyptien, les trois dirigeants arabes ont plaidé pour poursuivre les efforts pour ramener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique. Ce statu quo veut que les musulmans peuvent prier sur l'esplanade des mosquées trois troisième lieu saint de l'islam et lieu le plus sacré du judaïsme, mais pas les fidèles des autres religions. Actualité internationale. et sport. Il est 12 h passées de 24 minutes au stade Lamine Kouragay de Kaolak, une façon de l'accueillir. Bonjour Serine Moussakan. Bonjour et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football demi-finale à la Ligue des Champions ce soir à 19h. Man City reçoit Real Madrid, Ligue des Champions africaine. Le dernier carré est connu. Les demi-finales opposeront les 6-7 mai en allée et 13-14 retour. Al-Akhli reçoit Espérance Sétif. Petro Atlico reçoit Widat Casablanca. Sénégal en vue de préparation de la constitution de l'équipe nationale U20, Malik Daf a convoqué une nouvelle liste de 34 joueurs. Un quatrième stage en régime internat du 27 au 29 avril à Toubap de la Cannes Rugby 7. L'équipe nationale du Sénégal a été éliminée au premier tour de la Cannes à Kampala. La compétition a été remportée par l'Ouganda qui a décroché son ticket au Mondial en Afrique du Sud au mois de septembre. Zimbabwe, vice-champion d'Afrique, va jouer les barrages. 10 internationaux sénégalais qui seront libres en fin de saison. Salut Sané 31 ans, une montée de Schalke 04 pourrait prolonger son contrat. Abdoulaye Ba rester au Portugal ou partir à la Turquie. Salut 6, fin de contrat qui coïncide avec la relégation de Nancy. Lamine Gassama, 32 ans, à Sabal en Espagne. Hassan 24 ans, avec Saint-Etienne. Cheikh Kouyaté, allait en Turquie ou renouveler son contrat avec les Eagles. Opanget pourrait quitter le FC. Merci Biram Diouf a fait un contrat avec Ataï Sport. Ibrahim Balde va revenir en Espagne et Cheikh Diop. Place maintenant la rubrique Sport et Ramadan. Mesdames et messieurs, bienvenue. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alpha FM. Le ramadan, déjà, c'est un bon moyen, en tout cas, d'améliorer la santé parce que on sait que ça nous permet de, surtout pour ceux qui sont en surpoids, qui ont en tout cas certains facteurs de risque, ça leur permet d'avoir un régime beaucoup plus équilibré. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est vraiment d'essayer de rattraper les repas qu'on n'a pas pu prendre durant la journée, de vouloir les rattraper durant l'après-midi. Ça, finalement, ça devient beaucoup plus problématique que de ne pas gêner d'ailleurs. Donc, je pense que ce qu'il faut dire aux gens, c'est et que le ramadan, c'est aussi un moyen d'améliorer sa santé. Mais il faut vraiment éviter de vouloir rattraper les repas qu'on n'a pas pris durant la journée. Voilà ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi à extendre du Sud programme sur la 90.1. C'est cet élément qui euh, met fin à cette présente édition. Euh, merci euh, d'avoir suivi. Merci à Claude Sec et Madame Keneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Installation anarchique des vendeurs de poissons aux alentours du marché central de Kaolak, Les travailleurs du marché aux poissons décrètent une journée de grève ce mercredi et c'est pour fustiger le mutisme des autorités municipales face à leurs difficultés vous avez eu le reportage de Chertidiane Diagne. Affaire du boulevard de la liberté de Kaolak, le coordonnateur du plateforme Nailer réclame justice et demande l'arrêt immédiat des travaux. Il a brandi des menaces. Papa Simara, que vous avez entendu au courant de cette édition. Journalisme, société civile et engagement politique, est-ce possible Une question qui nourrit beaucoup de réflexions. Les réactions que vous avez suivies dans ce jour la deuxième édition de la conférence religieuse du réseau des femmes leaders sénégalo-gambiennes s'est tenue le week-end dernier. Une opportunité bien saisie par Adja Moussoukorambaye euh, pour revenir sur les objectifs et les différentes réalisations. Vous avez eu également le reportage de Noa Biaï. C'était tout pour le journal. Merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la 90.1. Le journal Ngoné Rennes.